Fatick B deuxième maa baaxul. corner dans la boîte repoussé par la défense. récupéré par Assane Ndiarou Ndaw toujours. ah. touche pour Boulen, c'est reparti. récupéré par les Rufisquois Bac qui décale pour Babacar qu'est-ce é qu'il va faire. Arrive bi siffle na faute c'est é Malick Ndiaye qui é a marqué un très joli but. ah loolu sur kay délibéré nañu trop. attention c'est parti pour numéro 10. Il est en position torchon. Ah. L'arbitre l'a joué, mais il est en position torchon. Ah oui. Ah. L'arbitre allait. Ah, il y avait, il y avait show. Il y avait show, Il y avait show. Il y avait show, Il y avait Il y avait Il a laissé jouer. Ah, les arbitres. Ah, encore les arbitres. Squad HL. Et les jouer. C'est reparti pour le numéro 10 de Boulem. Attention, derrière la défense d'Angèle, l'arbitre laisse jouer encore une fois de, plus. Encore une fois de plus, l'arbitre a laissé jouer. Attention à la défense d'Angèle Ngargoudaou. Il n'y avait pas au chaud. Cette fois-ci, avec le reventi, il n'y avait pas au chaud. Effectivement. Oh, mauvaise passe. Hein. Attention, ça peut être dangereux. Attention. Bien joué, Yoro. Asek est en train de dérouler tranquillement. Alors, pour Diop, Qu'est-ce qu'il va faire Il va retrouver Babacar tranquillement dans l'entrejeu. Babacar. Oh Bien joué, Babacar. Bien joué. Attention. La faute, carton, arbitre. C'est carton. Normalement, ça peut être. Allez, Malik. Allez, Malik oh là là par son défenseur central Il a mis le terrain Il est décalé pour latéral Il perd. Défenseur ko défense su Ndargou Ndaw bi jël na latéral Ndargou Ndaw bi jël na bal bi. Assire Assire redressé wu na oh là là Ousmane Ousmane Ousmane manque d'application Ousmane. Euh, de retrouver son attaquant intercepté par euh, Fallou. oh Babacar Babacar quel joueur ah. Ousmane qu'est-ce qu'il va faire penalty bu Michel Herbie bu Ndar Ndaw penalty pour ASEC Ndargou Ndaw Malick Malick Ndiaye ngi taxaw demagul lu muy def Malick delluwaat na ginnaaw mu ngi cëppi cëppi Malick daw na Malick door na ko dugal na ko penalty marqué par Malick Ndiaye à sec d'Argoudao. Mais la danse, Malik a marqué un très joli penalty. Repoussé par euh, Bien joué Biran. Bien joué Biran. Allez Fallou, allez Fallou. Allez Fallou, allez Fallou, allez Fallou, allez Fallou, allez oh! Fallou. Dans les gants du gardien de but. Il y avait de la place pour marquer un deuxième but. ñu koy ziar di ko nuyu bu baax di nuyu soxnaam Astou Thiam depuis Rufisque ñaa bëgg nañ ci yow kontaan nañ ci yow kooku mooy président directeur général bu Soli Étude Mamadou Niambay ñu ka nuyu. Il a dit il a fait un beau témoignage sur Kassirou Diallo qui aussi a fait les beaux jours du Sénégal donc chapeau à vous. Bonjour. Ah, il faut qu'il soit collectif Fallou. Bien joué. Bien joué Malik. Malik Deuxième but de Malik Ndiaye. C'est l'homme de la situation du côté de Assek A ak fu footballu Sénégal tollu léegi football vraiment football Sénégal dépassé le ko bay attention c'est cette équipe de Mboulem attention attention. Ah. bien joué gardien. attention à côté.

c'est parti attention attention attention ah oh là là voilà l'arbitre a sifflé en penalty ah pour euh, il faut que les joueurs de 5 Ndaw aussi soient prêts nañu pare ci de préparation bi pour deuxième ballon bu dee arrêté day ñaan ñaanal day ñaan ana vieux defal ay ñaan c'est parti l'arbitre a sifflé c'est parti c'est parti égalisation égalisation égalisation égalisation qui vient d'égaliser tout de suite c'est joué à la relance def en deuxième poteau euh, quelle occasion bi tas ça va être un long dégagement da koy tas tas na ko tas na ko góol baa ngi cëppi cëppi nga ngi taxaw nga ngi daw nga daw na dugal na nga dugal na mu ngay daw mu ngay daw mu ngay daw mu ngay daw tiire na dugal na ah, dugal peut ngay daw peut ngay daw peut ngay daw dugal na dugal na mu ngay daw mu ngay daw door na dugal na ñu ngi koy teg pression mu ngay daw bien joué dugal na capitaine dugal na ko dugal na daw di ñëw El Hadj ngay daw di ñëw dugal na ko dugal na ko dugal na ko raté oh! na ko dugal na ko oh là là daw daa daw c'est parti daw na